fille, euh, dès le début, euh, tu vois, au-delà de juste entendre sa mamie parler créole ou, ou sa tata. <laughs> ah bah elle, elle a pas le choix. Hein. Là, vu dans quelle famille elle est née, euh, elle a pas le choix. Hein. Sa tata, elle va l'entendre parler créole. Hein. si ta mère, tu vois, moi, je l'encourage à, à, parler tout ça dès petite. Mm -hmm. Tu vois, un peu comme euh, tu fais avec euh bah, tes... Bah, elle, ouais, avec mes neveux. Mes, neveux, voilà. mes neveux ma nièce, ah, et puis même aussi avec les petites cousines, quoi. Ah, oui la langue, elle sera beaucoup plus à l'aise euh, mm. rapidement, bah, tu vois. T'as vu les petites Enfin, ça, dimanche, t'as vu, les, as vu les petites Comment euh, elles comment elle, comment elle euh, lisaient mmh. Elles, enfin, le côté motivé, franchement, moi, c'est, ça fait tellement plaisir. C'est euh, le côté motivé, elles n'ont pas peur, elles essayent, euh, elles essayent autant les chansons que de lire vraiment un texte. Les textes, en plus, qui sont, peuvent être assez longs, quoi. Et euh, ouais, ouais, non, c'est, c'est, vrai, effectivement, de pouvoir avoir une atmosphère comme ça, euh, qui soit bienveillante, C'est ça. C'est euh, super